Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore gars, de la confiance renouvelée. Merci de nous aider like. merci de nous aider abonner. merci également des bails des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois, des partages et des informations. Inbox sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal. Rokhrouha des Gorgora des Ninglendi Yadiofol, Ninek également au l'hôpital et sécurité de février. Nous sommes bon focus en bop numéro gam. Ninek Tikasso Ingen Hamne aussi erreur judiciaire Guinée Ningla Fulmon Foyo, nous sommes bon Guinée Lenfe, Delawar Len Sénégabot, Nidalwadona. Nous sommes bon Khalena Jennifer aussi Gaël et Yéhénion. On avance ensemble dans la magie de e-sportive de Baba Show l'actualité en contenu gars depuis nous faisons fas donc match fou bi am diggante Manchester City à Real Madrid mais également wax ci donc match boo xamné également au sommet de Arsenal ak Bayern Munich loolu ñu fas yéene ko wasaare ci ak yeen indi ci ay comme vous le savez le Real Madrid également et le Manchester City le show des deux grands leaders de cette Ligue des Champions ah, ñaari match yo xamné ñaari équipe yo xamné ñepp lañ doon xaar bien évidemment il y a eu des buts il y a eu du spectacle et il y a eu également du beau jeu comme ni ñu ko qui a Rodrigo et Vinicius Junior étaient au rendez-vous Valverde également était au rendez-vous Gaï match bu Ré, Ré, Ré Kamavinga euh, le Real Madrid qui montre également que c'est toujours le Real Madrid le Real aujourd'hui qui a joué sur des attaques placées rapides ñi et Manchester City également qui a joué sur le jeu euh, se concentré sur les espaces et tout mais Vinicius Junior qui aujourd'hui est le joueur le plus décisif mon équipe le le décisif qui Ligue des Champions depuis 2022 14 buts 14 passes décisives pour le brésilien qui est toujours présent, mais également que dire de Phil Foden. Actuellement, c'est le meilleur joueur de Manchester City. Phil Foden version 2024. Benen Aferlagay, Bubu et énorme, phénoménal, bu stratosphérique la dadi euh, Dougal, mais aussi Erling Bro Il a été muselé par Kingham Rudiger. Rudiger def match de fou. Wandof, également qui est Alan qui poche Donc Silva Foden, Ak Guardiola Dougal pour City, euh, Diaz hein, contre son camp.

Et donc, Real Manchester City, 3 buts partout, mais également 2 buts partout entre Bayern Munich et Arsenal Gnabry Kane ñoo Saka Trossard David Dougal pour ñi les gagnants d'Arsenal il pas droit à à domicile de non Bayern également qui fait un bon résultat mais aussi que dire de Harry Kane Harry Kane donc mon confrontation yi Arsenal mu Tottenham c'est 15 buts 3 passes décisives en 20 matchs pour l'international anglais attaquant du Bayern Munich Sir Kane Sir Harry Kane Bukayo Saka Saka également, 4 buts, 4 passes décisives en 8 matchs pour cette Ligue des Champions. Donc il a été décisif à 8 reprises en 8 matchs. 8 matchs il a été décisif. Bokayo, Saka également. Néna Angleterre, équipe Bignam, wap, wap, wap, wap, wap, wap. entraîneur Mais également, Limonek, action du match peut-être, penalty, le ou pas. En tout cas, action Bangini, xamne nous permettre Arsenal peut-être Mouda de gagner match B. est-ce qu'ils vont le regretter au match retour ou pas on verra on verra mais il match yi rien à dire c'était phénoménal c'était stratosphérique gars yi moi football comme on dit li gars yi wax football le Real reste le Real Manchester City reste Manchester City donc match retour bien un match décisif boo ramener ne nga xam ci Angleterre mais aussi Arsenal berne c'est autre chose en tout cas on attendant les matchs de Mega et tay maximum rien à dire yéen ba gis-gis ci am wala di like wala on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des sportifs TV. bonne le bonheur bonnes gars